Abdou Fati, secrétaire général national du CELS authentique, membre du G7. Euh, la problématique de la baisse des niveaux des enfants n'est pas, on ne doit pas l'analyser sous l'angle euh, de la faiblesse euh, des enseignants, mais plutôt regarder le contexte mondial. Les enfants suisses ne sont pas autant plus forts que les enfants sénégalais. Mais il faut le dire, baisse de niveau il y a. Maintenant, il faudrait convoquer plusieurs facteurs, entre autres facteurs au Sénégal, il faut le dire, les classes sont pléthoriques. Au Sénégal, l'environnement scolaire n'est pas propice. Les enfants sont dans des abris provisoires. Au Sénégal, les programmes sont maoustes. Au Sénégal également, on a euh, bâti des curricula. Et il faut le dire, par rapport à ces curricula-là, les enseignants enseignent en dehors du curriculum. Tous ces facteurs-là convoqués peuvent également concourir à la baisse de niveau. Maintenant, par rapport aux enseignants, et le dire très sincèrement, après l'époque des quotas sécuritaires, depuis l'avènement de Serigne Beycham, on a assisté quand même à une sélection rigoureuse des enseignants. Ils ont la maîtrise, le doctorat. Et pour la plupart, ils font des années, ils vont ailleurs. Donc je pense que le problème est ailleurs. Le problème est au niveau effectivement d'investissement. On doit investir dans le système. On doit réduire les classes. On doit avoir des classes attrayantes. On doit alléger les programmes. Je pense que si nous euh, explorons ces pistes-là, nous pourrons éventuellement résoudre la problématique de la baisse de niveau des enseignants. Notamment, effectivement, vous n'avez pas parfaitement raison. Il faudrait avoir également des enseignants motivés. Et les enseignants, ça ne demande pas nécessairement de l'argent. Ça demande une transparence dans la gestion de leur dossier. Ça demande tout simplement une bonne gouvernance de leur dossier. Si les enseignants sont sereins, là où ils sont, avancent régulièrement, euh, on régularise leur acte, tout acte pris est régularisé, au-delà même de l'argent, de l'aspect euh, pécunier, et qu'on nous respecte davantage, je pense qu'on pourrait relever le défi de la carrière que ñun également am nañu suñu ndaataangoo yoo xam ne dañuy correspondre yu nekk ay Suisse yu nekk ay Belgique ñoom tamit dañu jaaxle ni foofu y a trop de matériel et pourtant le niveau des enfants baisse euh, léegi nag ñun ñëpp dañ ko dañu war a taxaw jàngaatat te Covid bi wax dëgg yalla amna na lu ñu jàngal Covid bi jàngal nañu ni euh, école yi dañu wara a xalé yi nongo yi nekk ci biir téméri nongo noo leen di suivre. école yi dañu jàng ni également parents d'élèves yi waratuñ fi nekk di seetaan seen doom dañu war fi nekk di accompagner seen doom Covid bi jàngal Serigne Mbaye Thiam ñëwee waxal ko dëgg rek mooy xool nañu segg nañu ñuy jàngale ñuy jàngale tey soo xoolee seen profil profil yu baax macha allah la ñu am te problème bi ñu am sax ñu si bari dañuy ñëw jàngale tuuti am tuuti xaalis def defi leneen parce que ay doctorat la ñu am ay licence la am ay maîtrise lañu ñu am maintenant suñu bëggee également niveau bi gën a war nañu motiver jàngalekat yi motiver jàngalekat yi du rek jox leen xaalis motiver jàngalekat yi mooy jàngalekat bu ne xelam di dal mu toog Fongolemi toog Kédougou actam di avancé dossier mi di avancer ñu ko war a liggéey liggéey ko xelam dal ñu jàngale su ko defee dañu defe naa ni dañu am niveau euh, bu baax su ñu amee niveau bu baax mu impacté sur le pays